forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalam. le forum du studio Kalam. le forum du studio le forum du studio Kalam. le forum du studio forum, le forum du studio le forum du studio Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18h15 minutes. Euh, merci de nous suivre euh, au forum du studio Kalangou. Au micro, Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur l'alternative FM 99.4 et en Fanny FM 100. Vous pouvez aussi nous écouter à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et des localités d'Arlit, Filengue, Birningaure, Mainensoroa, Tirozérine, Magaria, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saïd. Pour ce premier numéro de la dernière semaine de 2016, nous allons continuer à parler population avec le lancement la semaine dernière à Niamey du rapport sur l'état de la population mondiale édition 2016. La publication de ce rapport permet d'attirer l'attention de la communauté internationale sur une des problématiques liées aux défis démographiques. Les défis démographiques, les dividendes démographiques, voilà des termes couramment utilisés pour parler de l'état de la population. La semaine dernière, vous avez suivi un expert, puis un exemple illustratif avec euh, la région de Maradi, zone par excellence de croissance démographique. Ce lundi, nous recevons un invité à la personne de M. Ousmane Amadou, en direct dans ce studio. M. Ousmane, bonsoir. Bonsoir. Vous allez vous présenter rapidement. Donc moi, je m'appelle Ousmane Amadou. Je suis démographe euh, de mon État. Donc euh, je suis au ministère de la Population où euh, je représente le point focal du projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Voilà, merci beaucoup euh, pour cette présentation. Alors avant, entre-temps, nous allons suivre ensemble une des bonnes pratiques en vogue dans le domaine de la santé qui est un aspect important des défis démographiques. Il s'agit de l'école des maris qui cherche à impliquer les époux sur les questions sanitaires au Niger. Objectif, amener les familles à fréquenter les centres sanitaires mais aussi à pratiquer la planification familiale. Vers la fin de ce forum, on parlera sport avec euh, la 38e édition du sabre du championnat national de lutte traditionnelle euh, qui a été présidée, l'ouverture a été présidée d'une réunion du comité directeur de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle. Le comité a décidé de suspendre le secrétaire général et le trésorier général pour mauvaise gestion et non-présentation de rapports moraux et financiers dans les délais. La réunion a par ailleurs pris de nouvelles mesures pour éviter tout trucage dans les différents combats. direct dans ce studio. Nous recevons M. Ousmane Amadou. Bonsoir, Monsieur Ousmane. Bonsoir, Vous êtes présenté, vous allez le refaire encore, ce n'est pas de trop. Oui, donc euh, chez nous, chez les enseignants, la répétition est pédagogique. Oui, merci. Donc, euh, mon nom c'est Ousmane Amadou. Je suis donc euh, démographe de mon État. Donc, je suis au ministère, un cadre au ministère de la Population où je suis le point focal du projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Mhm. Et ce projet-là, si je peux aller, ou bien on va revenir plus on, Oui, on reviendra à ça, mais euh, c'est qu'il faut retenir que la semaine dernière, vous avez ensemble lancé euh, le rapport sur l'état de la population mondiale, édition 2016. Donc, pour le cas du Niger, le lancement a eu lieu à Niamey, mhm. c'était le mardi dernier. Mais c'est quoi ce rapport de quoi ça parle On dit le rapport sur l'état mondial de la population. En résumé, qu'est-ce que je dois Qu'est-ce qui continue dedans Merci, monsieur. Donc, euh, rappelez-moi votre nom. Moi, je m'appelle Hamadou Moumouni. Donc, euh, monsieur Hamadou, effectivement, comme euh, tout le monde l'a suivi, ici au Niger, on a fait le lancement le 20 décembre donc 2016 de l'État mondial, de la population mondiale, à l'auditorium, à l'auditorium concernant donc le Niger. Et les questions au cours de l'année pour les Nations Unies, la division mondiale des Nations Unies, donc qui traite des questions de population. Chaque année, donc, ils sortent un rapport. Et ce rapport-là brosse la situation de la population à travers le monde. Le monde se porte bien. Le monde entier. Le monde se porte-t-il bien Dire que le monde se porte bien, c'est être trop ambitieux quand on connaît les difficultés qui se trament par-ci par-là, que ce soit dans les pays développés ou dans les pays en développement comme les nôtres. Mmh. Mais à cette occasion, pour les Nations Unies, il s'agit de dire l'effectif de la population mondiale, combien le monde compte dans le monde. Et après, il y a aussi, en même temps qu'on publie l'état global, on publie aussi pour chaque pays. Chaque pays, quelle est sa population On sort tous les indicateurs démographiques concernant la population. Et on choisit un thème chaque année qui constitue une préoccupation au niveau mondial, surtout dans les pays en développement comme les nôtres. Les, thèmes de, de préoccupation concernant donc les liens entre la population et le développement. Vous savez que la population entretient le développement, le développement aussi entretient la population. donc les deux sont liés. Et chaque année, les Nations Unies essaient donc, en publiant ce rapport-là, de mettre un accent particulier sur la situation la plus brûlante à travers le monde concernant la situation du bien-être ou du mal-être, si on peut l'appeler ainsi, la population à travers le monde, en mettant un accent particulier surtout dans les pays en développement comme les nôtres. Et est quel est l'accent euh, Sur quoi vous avez mis Donc euh, cette année, euh, le rapport a mis l'accent sur la situation des adolescentes, les adolescentes de 10 ans, les jeunes filles, autrement dit les jeunes filles âgées de 10 ans et plus. De 10 ans, de 10 ans et plus. Et chaque fois, permettez-moi, monsieur donc, de le rappeler, le choix n'est pas fortuit. C'est pas un choix gratuit que les Nations Unies font. C'est toujours lié. On regarde parmi les couches de la population. Quelle, on présente la situation, on voit quelle est la couche qui présente la situation la plus préoccupante. Et vous savez que les jeunes filles, comme on dit, c'est l'avenir. La, fille la jeune fille qui est appelée à être femme demain, c'est l'avenir de l'humanité. et donc, euh, la mère de l'humanité, si je peux m'exprimer ainsi. Ah, et donc, euh, il faut qu'on mettre un regard particulier, qu'on jette un regard particulier sur cette couche-là, qui fait partie des couches les plus vulnérables. Il y a beaucoup de couches vulnérables, mais chaque année, on choisit un thème. Et cette année, ce sont ces adolescentes-là qui, ont été ciblées. Ah, d'accord. Pour le Niger, qu'est-ce que le rapport dit Pour le Niger, en fait, comme je l'ai dit, on sort le rapport au niveau global. Et au niveau de chaque pays, après que les Nations Unies aient publié le rapport, ils invitent les États chacun à le faire à son niveau. Pour, à son niveau, faire la situation, en se collant au thème choisi. Et donc nous aussi aussi au Niger, on a essayé le 20 décembre là de présenter un peu la situation de ces adolescentes là. La population du Niger, euh, moi je vais me coller aux chiffres de l'Institut national de la statistique. Donc euh, en 2016, ils ont fait un état des indicateurs qui fait que la population, qui dit que la population du Niger est de 19 millions 100 000 habitants. Actuellement, nous sommes 19 millions, 100 habitants. Donc je me colle plus, euh, je préfère les chiffres de l'UNESCO qui sont là. C'est pas que je n'ai pas confiance aux chiffres des Nations Unies, mais comme là-bas c'est au niveau global, ici c'est notre réalité nous-mêmes avec nos institutions sur place. Donc on est 19 millions 5 000 euh, habitants actuellement. Et ces adolescentes-là, qui représentent le thème de cette année, également on s'était intéressé à eux. On a essayé de fouiller un peu, voir les statistiques concernant la situation de ces adolescentes-là. Et ces adolescentes-là, leur situation, c'est leur état de santé, c'est leur scolarisation, leur état de santé, leur scolarisation, leur, euh, euh, leur autonomisation. Euh, on peut me dire qu'à 10 ans, on ne peut pas parler d'autonomisation, mais l'autonomisation, pour nous, ça se prépare. Pour les spécialistes des questions de population, l'autonomisation, ça se prépare. On peut autonomiser celles qui sont grandes on peut chercher aussi à autonomiser plus tard ceux qui sont petits et celles qui sont petites. Les jeunes filles, on cherche à les autonomiser à travers la scolarisation. Et donc, euh, en ce qui concerne la scolarisation, vous le savez autant que moi, euh, il y a des efforts qui sont faits quand même ces dernières années par le gouvernement, tout le monde le reconnaît des efforts en termes d'amélioration des infrastructures, du recrutement des enseignants et qui a permis quand même d'améliorer le taux brut de scolarisation. Il y a eu des efforts dans le domaine de la santé, dans, le, domaine, de l'éducation, mais à l'état actuel, quelle est la situation des adolescents La situation des adolescentes à, l'heure actuelle, on peut dire que le, le taux brut de scolarisation est de 74,2% au Niger. Bien réparti eh, On ne peut pas parler de bien réparti. Il y a des inégalités, aussi bien donc entre sexes, aussi bien en milieu rural et en milieu urbain. En milieu rural surtout, parce que c'est là-bas où se trouve l'essentiel de la population nigérienne. Plus de 80% de la population est rurale. Et en milieu rural encore, c'est là-bas où la situation de la jeune fille, de la petite adolescente de 10 ans est encore plus préoccupante. Quels sont les chiffres que vous avez Bon, les chiffres que. Euh, c'est vrai, j'ai pas. allez-y, euh, je les ai dans mon. Absolument, d'accord. de façon euh, générale. J'étais occupé sur un dossier là. Absolument, De manière générale, on peut dire que la scolarisation des jeunes filles, le taux brut de scolarisation des jeunes filles est inférieur à celui des garçons. Ça, nous le savons. La moyenne est de 114, 74, j'avais dit, 2%, mais euh, pour la jeune fille, c'est en dessous. Je n'ai pas le chiffre exact mais c'est en dessous de celui des garçons. Donc, euh, celui des garçons est plus élevé. Ce qui fait dire qu'il y a une inégalité entre les sexes. Et tout le travail qu'on doit faire, c'est de chercher à corriger ces inégalités-là. C'est de permettre à ces jeunes filles-là, donc, euh, de chercher à aller un peu, de relever, d'accroître, d'accélérer leur scolarisation pour leur permettre un peu d'être au même niveau. Le souci qui est cherché, c'est l'équité, l'égalité entre les sexes dans tous les domaines. Alors, qu'est-ce que vous avez mis comme dispositif Le dispositif qui est mis en place, ce n'est pas un, dispositif propre au ministère de la Population, c'est un dispositif propre à l'État nigérien. Et les questions de population, ce n'est pas seulement le, le, ministère de la Population, mais nous, nous sommes le lead. Dès qu'on parle de population, c'est nous. Mais nous travaillons en synergie avec d'autres ministères qu'on appelle les ministères sectoriels. Quand je parle pour les questions de scolarisation, c'est le ministère de l'enseignement de base. Ici, l'adolescente de 10 ans et plus, ça concerne l'enseignement de base, l'enseignement euh, primaire et l'enseignement secondaire. C'est là surtout où le problème se pose. On cherche à gérer la situation, la scolarisation de la jeune fille, du primaire jusqu'au secondaire. On cherche à amener le maximum au secondaire. Sinon, le souhait, c'est qu'elle puisse aller au supérieur. Mais si on arrive à avoir le maximum au secondaire, améliorer leur scolarisation, ma foi, beaucoup de choses seront gagnées. Bah, quels sont les déterminants qui font que euh, la fille scolarisée ou la fille n'arrive pas à se scolariser ou, très peu. Et merci, monsieur le journaliste. Les déterminants, quand même, de la sous-scolarisation, si je peux appeler ainsi, de la jeune fille au Niger, sont nombreux. Mais de manière globale, on peut dire que ce sont les pesanteurs socioculturels. Les pesanteurs socioculturels, j'aimerais dire ici, les le poids de la religion. On dit que souvent, ça en réalité ce n'est même pas un problème, mais c'est dans le comportement des gens, l'interprétation que les gens font, on dit que la jeune fille ne doit pas aller à l'école. Sa place, c'est dans sa case de jeune mariée c'est dans son foyer. Elle doit être mariée le plus tôt possible. Alors que l'islam n'a même pas interdit le savoir, la recherche du savoir, elle a autorisé la recherche du savoir pour tout le monde, sans discrimination de sexe. Mais souvent, nous, on se dit que, bon, compte tenu de nos habitudes et nos pratiques de tous les jours, c'est surtout le fait que les gens ont peur du déshonneur. Quand la jeune fille n'est pas mariée à un certain moment donné, elle pique une grossesse. Donc ça déshonore la jeune fille, ça déshonore la famille, ce qui fait que dès qu'on constate un certain développement physique, au niveau de la jeune fille, on se précipite pour la marier. Dès que les premiers signes donc de la puberté apparaissent. Ce qui fait dire que l'âge de la puberté coïncide généralement avec l'âge du mariage qui est en moyenne de 15,7 ans au Niger. Alors, quel est l'espoir qu'on peut nourrir par rapport à l'avenir de ces jeunes filles Donc, euh, j'étais en train, excusez-moi de revenir un peu, parmi les facteurs déterminants, il y a euh, euh, l'exploitation économique mhm. de la jeune fille et des enfants de manière générale. La mère de la jeune fille préfère la voir à côté d'elle. Elle l'accompagne, elle l'aide dans ses, elle la soulage dans ses travaux quotidiens, ses travaux domestiques. Donc, euh, ces soucis-là, cette, euh, cette exploitation économique de l'enfant fait que vraiment, on préfère le laisser à côté, à défaut, même si on ne la marie pas, même Ce sont les parents qui sont Donc indexés. C'est les parents vraiment qui sont indexés en plus de la religion. La, religion, je viens d'expliquer que souvent c'est un abus. Mm, euh, vous avez parlé des chiffres qui sont, qui montrent qu'il y a quelques progrès. Oui. Euh, qu'est-ce qui, qui, nourrit votre espoir sur l'avenir de ces enfants, de ces enfants Notre espoir, c'est que faire qui prouve que demain la situation peut s'améliorer. Et, et, notre espoir, c'est que l'État, à son niveau, fait, est en train de faire des efforts des efforts en matière donc de la scolarisation. On peut même dire qu'il y a des progrès qui sont faits. Quand vous regardez dans les centres urbains, ici à Niamey, quand vous rentrez dans les classes, vous allez constater que euh, la, tendance est même en train de s'inverser. On a dans certains établissements, dans certaines classes, plus de filles que de garçons. Ça veut dire qu'il y a des projets qui ont été mis en place par l'État avec l'appui des partenaires qui sont en train de porter leurs fruits, en tout cas en milieu urbain. Là où le bas blesse, c'est vraiment en milieu rural. C'est là-bas où on doit mettre l'accent. Et tant qu'on n'inverse pas la situation au niveau du milieu rural, en tout cas, euh, parce que c'est là-bas où se trouve le plus grand nombre. Donc, euh, et là aussi, on a l'espoir avec les ONG, avec euh, les projets qui sont, et l'effort que l'État est en train de faire, des projets de scolarisation de la jeune fille, des appuis par-ci par-là, qui vont concourir certainement à l'amélioration de la situation de la jeune fille. au Monsieur, vous avez parlé de projet, on va parler d'un projet mhm. qui, fait, qui est modèle actuellement mhm. au Niger, c'est l'école de Marie. Euh, l'école de Marie, c'est le nom du projet, d'un des projets qui vise à impliquer les époux sur les questions sanitaires au Niger. Ce projet est piloté par l'ONG Songe Niger et le Fonds des Nations Unies, UNFPI, avec pour objectif non seulement d'amener les familles à fréquenter les centres sanitaires, mais aussi à pratiquer la planification familiale. Je vais vous proposer, nous allons suivre ensemble, M. Mohamed Haidara, qui est le coordinateur du projet au niveau de l'ONG Songe. Suivons-le. Le projet École de Marie, en fait, c'est le projet d'implication des hommes sur les questions de santé, de la reproduction. Donc, c'est un projet que nous mettons en œuvre avec euh, l'appui financier de l'UNFPA. La stratégie École de Marie a commencé dans la région des Indères euh, depuis 2008. En fait, elle est partie d'un constat. Il y avait une faible fréquentation des services de santé par les femmes et les enfants. Donc, l'UNFPA a commandité une étude et cette étude a montré que, en fait, le comportement des hommes est un grand facteur qui freine la fréquentation des femmes et des enfants. Dans notre contexte culturel, si une femme doit aller au centre de santé, elle attend toujours l'autorisation de son mari parce que c'est lui qui va payer, c'est lui qui va lui d'aller ou de ne pas aller. Donc l'idée, c'est de créer vraiment des conditions favorables pour les femmes et nous avons démarré cette initiative en 2008 dans la région de Zender au niveau de quelques CSI. Au vu des résultats que cette stratégie a donné, nous sommes passés à une phase d'extension et actuellement nous sommes à couverture nationale dans toutes les régions, en dehors de la communauté urbaine de Niamey. Il y a des écoles de Marie dans toutes les régions du pays. Alors, en parlant des changements, quels changements cela a apporté au niveau de ces régions Le premier changement que ça a apporté, c'est d'abord euh, un meilleur accès aux femmes et aux enfants pour fréquenter les centres de santé. Les maris ont eu un cadre où ils apprennent euh, l'importance d'accoucher dans une formation sanitaire, l'importance pour une femme enceinte de faire toutes les consultations. Ils ont aussi mieux compris pour beaucoup l'objectif poursuivi par la planification familiale. Donc à partir de ce moment, ils ont été plus favorables à ce que leurs épouses enceintes ou non enceintes euh, puissent aller fréquenter systématiquement les centres de santé. Et donc nous avons commencé à voir une évolution quand même assez importante des indicateurs par rapport à certaines données sur l'accouchement, sur les consultations, sur la planification familiale, sur même la vaccination des enfants au niveau des centres de santé où nous intervenons. Alors quand on dit école, tout de suite on voit déjà une cour, des classes, euh, des enseignants. Comment se fait votre mécanisme Oui, effectivement, c'est le nom école des, des eh, mais ce n'est pas une classe en tant que telle avec des élèves et un enseignant. C'est un cadre de réflexion. En fait, c'est à l'image des FADA. C'est la même image qu'on met. Ils sont sous l'arbre, sur leur natte, en train de causer. Mais ici, c'est un espace de savoir parce qu'au lieu de venir discuter d'autres choses, ils parlent des questions de santé. En quoi c'est important pour nos femmes d'aller accoucher au CSI En quoi c'est important pour nous d'adopter la planification familiale Et ils engagent les discussions et on fait souvent appel à des personnels de santé, à des enseignants, à des leaders religieux qui vont venir leur donner des éclaircissements, par exemple, sur qu'est-ce que la religion musulmane dit sur la planification familiale. Donc on vient, on leur donne vraiment tous les arguments nécessaires et c'est en ce sens qu'ils améliorent leurs connaissances et c'est en ce sens que c'est comme une école parce que c'est vraiment un lieu où on partage le, savoir et donc euh, dans la région des indes dès que vous dites Makaranta Megida ils savent de quoi il s'agit. Au Niger laisser les cultures, les traditions pour euh, une autre chose n'est pas chose facile. Comment vous vous débrouillez Oui, en fait, notre porte d'entrée, c'est nos pratiques culturelles. D'abord, comment engager les discussions On n'a pas voulu dire on va rassembler les maris pour leur dire que nous allons leur faire des formations. On a voulu voir quels sont leurs cadres. Souvent, après la mosquée, où est-ce qu'ils se retrouvent Ils sont sous l'arbre en train de discuter. Donc, nous n'avons pas aussi voulu prendre des animateurs parmi nous pour dire vous, on vous recrute pour aller sensibiliser les autres. Non, nous avons voulu prendre les mêmes gens qui sont dans les écoles, ils ont accepté d'être membres dans, euh, des écoles de Marie. Et à partir de ce moment, ils ont acquis, grâce à l'appui de certains des agents de santé, les connaissances techniques. Et avec ces connaissances techniques sur les questions de santé, ils engagent des discussions sur la natte, euh, juste après la prière ou dans le coin de rue, ils ont l'habitude de se retrouver, ou au marché, sur les questions avec les autres maris. Des difficultés rencontrées euh, dans cette mission Oui, quelques difficultés rencontrées dans dans certaines zones parce que vu des différents projets aussi qui interviennent et qui ont intervenu avec des stratégies de donner des perdièmes et autres pour toute activité, on a quand même eu au début des réticences pour dire mais vous, vous travaillez avec nous mais vous ne donnez pas de, de perdièmes. Donc, euh, mais avec le temps, quand les gens ont compris en fait euh, vraiment la philosophie et qu'ils ont vu que ce n'est pas seulement avec les perdièmes qu'on peut valoriser les gens, les gens ont adhéré et finalement on a surmonté monter ces, difficultés. D'autres difficultés aussi, c'était comment aborder l'aspect sur la planification familiale d'une région à l'autre aussi, il y avait certaines résistances. Mais ici, pour contourner ces difficultés, nous avons fait appel aux leaders religieux dans les localités. Et à partir du moment où les leaders religieux ont compris l'objectif de, ces stratégies, ils nous ont appuyés et l'acceptation a été en tout cas eh, facile. Comme résultat, est-ce à dire que maintenant la planification familiale est appliquée dans toutes ces zones On va pas dire que est appliquée dans beaucoup de villages où nous intervenons. Et on a vu comment les indicateurs ont commencé à, changer. Mais il faut dire aussi que c'est des changements de comportement et souvent ça prend du temps. Euh, on aurait voulu avoir euh, plus, surtout par rapport au volet planification familiale, une hausse d'indicateurs de manière significative. Mais déjà, nous sommes à un niveau satisfaisant dans ces villages et nous pensons que bon, c'est par étapes, petit à petit, nous allons pouvoir quand même renverser la tendance. Surtout que dans beaucoup de villages, quand même, la tendance a même été euh, renversée. Mais c'est que nous sommes mm, actuellement dans à peu près 225 villages au total euh, au Niger. Et s'il faut compter le nombre de villages qu'il y a au Niger, c'est que nous sommes encore à une euh, petite couverture, en fait. Mais il faut une très grande couverture pour pouvoir renverser les tendances à l'échelle du, du pays. Des projets Nous sommes dans la phase d'extension. Actuellement, nous avons plus de 1444 écoles de Marie avec plus de 14 000 membres et notre objectif c'est vraiment d'aller d'ici euh, fin 2017 d'abord à, peu près 2000 écoles de, de Marie donc à toucher au moins 400 villages et au fur et à mesure vraiment aller à une euh, grande échelle pour que partout où il y a une formation sanitaire, un village, une formation sanitaire, qu'on les écoles de Marie euh, autour de, de cette localité-là. Alors pourquoi vous n'avez pas ciblé la communauté urbaine de Niamey qui a cinq arrondissements et des villages dans les périphéries et Ça fait partie de notre stratégie pour cette année, surtout les villages périphériques de la communauté urbaine de Niamey. On a déjà reçu les demandes de certaines formations sanitaires pour qu'on puisse venir installer euh, les écoles de Marie et ça fait partie de notre planification pour le début 2017, Inch'Allah. Vous venez de suivre euh, Mohamed Haidara, le coordinateur du projet L'école des maris. Et nous revenons euh, juste après son écoute en studio, en direct avec notre invité, M. Ousmane euh, Amadou. M. Ousmane, vous avez suivi Mohamed Haïdara, que vous connaissez bien, du moins le projet hein, École de Marie, que vous connaissez bien. En quoi est-ce que pour vous c'est un modèle, l'école de Marie Merci, M. Euh, Amadou. Amadou. Donc, euh, j'ai vraiment écouté avec euh, intérêt donc, cette situation des écoles de Marie au Niger. donc, Aïdra est également une connaissance. Comme je l'ai dit, on travaille ensemble, le ministère de la Population, l'UNP, nous sommes tous, nous militons pour la même cause. Mm. Donc, nous travaillons la main dans la main. Et donc, on était en octobre même à Sona, ici, avec euh, l'ONG Songe, où on a vraiment rendu visite. Euh, donc, euh, un des villages qui est concerné, par l'école de Marie. Donc, visite qui a été donc dirigée par son excellence docteur Kafa Christel Jakou. Donc, on était avec elle, l'ONG Songe, pour donc voir de visu cette expérience nigérienne des écoles de Marie, donc qui est en train de faire son chemin dans le village de Sona. On était là-bas, on a vu vraiment des résultats probants. C'est cette école de Marie, euh, quand on écoute un peu le commentaire, c'est donc, euh, on a constaté des études qui ont été menées dans ce pays. On, constate, on fait ressortir une faible fréquentation, une faible utilisation des services de santé par les femmes nigériennes et les adolescentes. Donc, euh, or, faible par rapport aux hommes, faible, faible même euh, par rapport d'abord quand on parle de santé, c'est surtout les, femmes, les jeunes femmes, les adolescentes qui sont les plus exposées ici en matière de santé, surtout de la reproduction. On a constaté faible utilisation des services de santé par rapport aux consultations prénatales. Les femmes utilisaient donc euh, moins les services, euh, faisaient moins les consultations prénatales requises, les quatre consultations prénatales requises. Donc, les femmes, il y en a beaucoup de femmes, je n'ai pas les statistiques. Même quand elles ont accès aux centres de santé. Même s'il y a les centres de santé, elles ne fréquentent pas. Donc, les études ont révélé cette situation-là. Et c'est suite à ce constat-là que cette initiative École de Marie a été initiée par l'UNEPIE avec euh, donc euh, l'ONG Songe dans le but d'aller vers une euh, amélioration du taux de fréquentation des services de santé, que ce soit pour les consultations prénatales, donc pour le suivi des grossesses, après les grossesses aussi, et l'utilisation de manière générale des produits de la santé de la reproduction. C'était donc dans ce souci-là pour améliorer la santé des mères, la santé des enfants, pour réduire la mortalité maternelle et infantile. Donc c'était en fait ce souci-là qui est derrière cette initiative de l'école de Marie. Et qu'est-ce que vous avez constaté à Sona, qui est un exemple Et lorsqu'on était eh, à Sona, vraiment, on a vu des témoins vivants. C'est Marie Modèle, en fait, euh, permettez-moi de revenir un peu, ces maris modèles, ce sont des maris qu'on recrute au niveau des villages. On c'est l'UNFPI, donc à travers l'ONG Songe, donc on vient dans un village, on choisit les maris modèles, généralement donc euh, les leaders d'opinion, hmm. donc qui peuvent faire un travail. Les, maris qui vont... les maris qui acceptent. Et à travers eux, on a travaillé avec eux, on les a formés. Et, ils partent déjà on, on les a formés. D'abord, on les a formés un certain nombre de pratiques. On les a sensibilisés, ils ont accepté. Les, maris, avant la formation, c'est déjà des gens qui partent dans les centres de santé ou bien qui ont déjà accepté que les femmes partent, leurs femmes partent ou bien c'est... Le souci, c'est que ces femmes-là, ces, ces maris-là acceptent que leurs femmes partent dans les centres, de, santé. Et après, on a constaté, lorsqu'on a recruté ces maris modèles-là, on, les a formés, on les a sensibilisés, ils ont accepté, ils étaient devenus des partenaires de travail avec le CSI, le même de la place. Mmh. Et le souci, c'est que s'il y a un CSI ou un centre de santé, que ces écoles de mari là puissent travailler. Ces CSI-là, ces médecins ou ces infirmiers qui sont là, puissent les encadrer pour leur permettre de mener à bien leur travail de sensibilisation. Et il appartient, on les appelle mari modèle parce qu'on leur demande d'aller euh, répercuter l'information qu'ils ont reçue ou l'acceptation que eux-mêmes ils ont fait, on leur demande d'amener les autres à accepter comme eux. Et le souci, c'est que qu'on puisse avoir un grand nombre de maris qui acceptent de laisser leur femme aller fréquenter les services de santé. Parce que le problème, les gens disent que bon, ma femme ne peut pas aller compte tenu de ce que j'ai dit au début, les pesanteurs socio-culturelles. C'est un homme qui est là-bas, par conséquent, ma femme ne doit pas aller s'exposer chez un homme. Et de l'autre côté, ce qui est paradoxal, on ne veut pas à ce que nos jeunes filles aussi aillent à l'école. Au moins, si c'est elle, il n'y aura pas de problème. Hmm. Donc, que ce euh, soit les, questions d'éducation, de santé, les mentalités sont très difficiles. Les mentalités sont vraiment très difficiles. Comment faire pour arriver à un résultat euh, plus, beaucoup plus réconfortant Qu'est-ce que vous êtes en train de faire Qu'est-ce que vous mettez en place, vous, ministère Je pense que nous, nous, au niveau du ministère, et je dirais, quand je dis ministère, c'est que je parle de l'État de manière générale. L'État est conscient du contexte qui est difficile donc le contexte socioculturel qui est difficile. Nous le savons tous que les mentalités ne changent pas du jour au lendemain. On ne décrète pas le changement de comportement, des mentalités, mais c'est à travers des, des activités inlassables, infatigables de sensibilisation qu'on peut amener les populations à comprendre. On ne va pas se fatiguer, on est en train de le faire, on innove toujours. Actuellement, nous sommes en train, dans le cadre du projet et, donc euh, démographique, de, chercher à innover. Parce qu'on a des stratégies, malgré les stratégies qu'on est en train de mettre en, place, on n'arrive pas à, aller vers ce qu'on souhaite. Donc on est en train de chercher. Il y a des blocages. Donc euh, par rapport à ce changement de, de, mentalité, vous voyez très bien que les autorités au plus haut niveau ont pris conscience jusqu'à créer un ministère de renaissance culturelle. Quand on parle de renaissance culturelle, c'est toute cette révolution de mentalité qu'on est en train de chercher, parce que ces mentalités nous bloquent à tous les niveaux. Il faut quand même qu'on les revisite un peu. Alors, on a parlé du modèle euh, École de Marie. Vous-même, vous êtes responsable d'un projet autonomisation des femmes et dividendes démographiques. Autonomisation, pourquoi faut-il autonomiser la femme Autonomisation des femmes. développer euh, le pays. Autonomisation des femmes et dividendes démographiques, comme je l'ai dit au début, ce choix-là, ce projet-là, permettez-moi de, revenir un peu, c'est un projet qui a été et donc euh, euh, euh, mise en place suite à l'appel lancé par son Excellence le Président de la République ici même à Niamey à l'occasion de la visite de Ban Ki-moon et du, de Ban Ki-moon, du, président de la Banque mondiale, et la présidente de la Commission de l'Union africaine, ici même à Niamey, en 2013. il a lancé un appel face aux questions, aux défis démographiques auxquels les pays du Sahel font face. Il a demandé, il est conscient que malgré nos efforts, à nous seuls, on ne peut pas soulever cette montagne de défis. Il faut qu'il y ait un accompagnement de la communauté internationale. Et c'est suite à cet appel-là que la Banque mondiale a accepté de financer un projet qu'on appelle Autonomisation des femmes et dividendes démographiques dans six pays du Sahel, dont le Niger, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Tchad, on, va aller par aspect. Parlons d'abord de l'autonomisation de la femme. Donc l'autonomisation de la femme. ça peut se concrétiser et comment ça doit se faire Ça peut se concrétiser, comme je l'ai dit, il y a plusieurs points ici. En quoi, pourquoi dit-on d'abord que la femme n'est pas autonome, puisque c'est la compréhension qu'on a Oui, l'autonomisation de la femme, c'est quoi On cherche, eh, il y en a qui pensent qu'on cherche à révolter la femme vis-à-vis de l'homme. n'est pas de ça qu'il s'agit. Autonomiser la femme, c'est la rendre moins sollicitante vis-à-vis de, de, son, mari. Parce que qu'est-ce qui fâche Lorsque la femme demande, même à votre niveau, lorsque madame vous demande toujours, Hein, toujours, elle vous demande. Souvent, elle lui demande au moment où vous n'en avez pas. De l'argent. Vous voyez ce que ça fait. Tous ces besoins, parce que vous êtes censé les couvrir. Et compte tenu du fait qu'on euh, est dans une situation difficile, ce n'est pas facile de l'être, mais lorsque la femme elle-même, elle est autonomisée, elle pratique des activités génératrices de revenus qui puissent lui permettre d'avoir un peu de ressources en main, elle sera moins dépendante économiquement vis à -vis du mari, elle va au contraire même aider le mari, elle va le soulager en prenant en charge certaines préoccupations et certaines dépenses de la famille sans pour autant tendre toujours la main. C'est le souci en fait d'autonomisation des femmes. Et cette autonomisation des femmes, elle commence, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les jeunes adolescentes qui sont là, qui constituent la cible de la, euh, de la, de, la, de la, du rapport mondial. Mm. Lorsqu'on les scolarise, ça commence par la scolarisation, l'autonomisation. Lorsqu'on les scolarise aujourd'hui, plus tard, elles vont sortir, elles vont avoir du boulot, elles vont travailler, elles auront un revenu et donc elles ne seront pas toujours dépendantes, celles-là qui vont toujours euh, tendre la main à leur mari. Ça, c'est l'aspect euh, Ça, c'est l'aspect des jeunes filles et adolescentes. Donc, d'où la nécessité de les encourager, de les scolariser, de les accompagner à aller vers les écoles et aller plus loin dans les écoles. Pas seulement scolariser, un an, deux ans, on sort. Non, scolariser et maintenir jusqu'au secondaire, voire le supérieur. C'est le souci qui est là. Non seulement nous, sur le plan démographique, ça nous permettra, lorsque une jeune fille est scolarisée et qu'elle part jusqu'à l'université, jusqu'au secondaire, elle n'aura pas le même comportement vis-à-vis -vis de sa fécondité que une euh, jeune fille ou une femme qui n'a jamais été à l'école. Elle saura prendre soin de sa santé elle-même, reproductive. Elle va espacer ses naissances, même si le mari souvent ne le, ne, veut pas. À son insu, elle va le faire. Donc, euh, vraiment, ça permettra d'améliorer beaucoup de choses. La scolarisation est un aspect important. C'est un aspect important. Pour les jeunes, les adolescentes. Et, et, pour nos mamans. Et l'alphabétisation. Pour nos mamans qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou qui ont quitté l'école très tôt, on peut toujours les racheter. On peut toujours les récupérer à travers des écoles de seconde chance pour les jeunes filles qui ont quitté l'école très tôt. On cherche aussi à les récupérer à travers des écoles de seconde chance. Elles reprennent le banc de l'école, on les encadre un peu, elles repartent c'est très ambitieux, C'est très ambitieux, mais c'est aussi, ça, a fait ses, preuves aussi. il, y a les, il, moyens pour ça Il y a des moyens, les moyens, on va les chercher. C'est l'idée qui compte. S'il y a l'idée, les moyens vont venir. Les partenaires qui sont là, ils ne cherchent qu'on accouche les idées. Mhm. Une fois qu'on accouche les idées, ils vont venir nous accompagner. Mhm. Donc, alphabétiser donc, euh, les, femmes, qui ont quitté l'école ou qui n'ont même pas euh, euh, quitté et jamais été à l'école, on cherche à les alphabétiser. À travers cette alphabétisation aussi, on leur apprend comment tenir un peu sa petite comptabilité de la famille, comment gérer un peu son foyer, comment améliorer euh, euh, l'hygiène, les règles d'hygiène, comment se comporter un peu pour améliorer certaines maladies qui ne sont rien d'autre que des maladies liées à l'ignorance. Quand, quand, le secrétaire général des Nations Unies s'intéresse à la question, la présidente de l'Union africaine, le président de la Banque mondiale, ça veut dire que tout le monde a compris l'enjeu mhm. et que tout le monde se mobilise. Qu'est-ce que vous avez pu mobiliser comme fonds qui puisse vous permettre de faire votre travail, euh, de, penser euh, vraiment euh, à autonomiser la femme nigérienne particulièrement. Donc, ce que on a pu... Vous avez mobilisé des fonds Ce que ils ont mis à la disposition de ces pays-là, comme permettez-moi de revenir sur ce projet, c'est un projet, comme je l'ai dit, qui concerne plusieurs pays du Sahel, dont le Niger. Et c'est une enveloppe donc globale, dont je n'ai pas le montant en tête, qui a été répartie entre les pays, ce qui est sur le Niger, a... Euh, euh, euh, le plus grand pourcentage, compte tenu des défis qui sont encore plus énormes, des défis démographiques du Niger, qui sont encore plus énormes. Et donc, vraiment, ce projet n'est que une porte d'entrée et pour le dividende démographique dont on a fait cas, sur, lequel nous allons revenir. Donc ce projet-là est mis en place pour accompagner, comme je l'ai dit tout à l'heure, les pays du Sahel à faire face à ces défis Il a commencé démographiques. Il a commencé, le projet a été lancé ici à Niamey le 2 novembre 2015 en présence de six pays, hmm. dont le Niger, pour combien d'années de cinq pays plus euh, le Niger. C'est pour trois ans jusqu'à 2019. 2018. Euh, On va observer une petite pause, le temps de revenir sur les autres aspects de la population. À 18h50, nous revenons en direct avec euh, notre euh, invité, M. Ousmane Amadou, qui est cadre du ministère de la Population et euh, qui, coordonne le projet Autonomisation de la femme et dividendes démographiques. Je vous le disais que la semaine dernière, le Niger a lancé, comme les autres pays, le rapport sur l'état de la population mondiale édition 2016 et la publication de ce rapport permet d'attirer l'attention de la communauté internationale sur une des problématiques liées aux défis démographiques. Alors, il y a beaucoup de concepts qui reviennent comme les défis démographiques, les dividendes démographiques. Vous avez eu quelques explications avec d'autres acteurs. Nous allons revenir avec notre invité qui va nous expliquer ces thématiques, les défis démographiques. Quand vous, tout à l'heure vous parliez de cela, oui. c'est quoi Qu'est-ce qu'on veut dire par la défi démographique C'est au pluriel, hein, c'est pas un défi, c'est des défis. Oui donc, avant de venir euh, de répondre à votre question, permettez-moi de rectifier. Je ne suis pas le coordonnateur du projet. Je suis le point focal. Le point focal. Le point focal du point projet. Focal du projet. des femmes Et Au titre du ministère de la population. Merci. Au titre du ministère. Merci pour la euh, précision. Les défis démographiques maintenant. Les défis démographiques, ce sont les difficultés, les problèmes qui sont liés à la situation démographique euh, dont le Niger fait face auxquelles on est appelé à résoudre. Donc ce sont les difficultés engendrées par la croissance démographique élevée du Niger, qui est la plus élevée du monde. Le Niger figure parmi les pays où le taux de croissance démographique, le taux de fécondité est le plus élevé. 3,9, 7,6 euh, enfants par femme mhm. et 3,9% en termes de croissance intersensitaire par an. Et ce qui fait que le Niger détient le record mondial de la fécondité et de la croissance démographique. Et cette croissance démographique s'accompagne des défis. Des défis, c'est-à-dire des problèmes à résoudre en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'emploi. Si réellement on veut créer les conditions de bien-être pour cette population. Puisqu'on est dans cet aspect de fécondité, euh, quand on parle de fécondité, on voit la planification familiale. Et dans la planification familiale, on voit la limitation ou euh, l'espacement des naissances. Qu'est-ce qui est, accepté euh, est-ce que c'est la limitation Est-ce que c'est l'espacement des naissances En fait, pour, pour, faire face à cette fécondité-là. Pour faire face à cette fécondité, effectivement, il y a un problème. Souvent, les gens interprètent à leur manière. Personne ne peut limiter les naissances. Même les plus purs démographes sont conscients qu'il n'y a de richesse ni force que d'hommes. Et personne ne peut arrêter. En Chine, par euh, exemple, euh, l'exemple. Personne ne peut arrêter. On peut. Non, c'est pas, c'est pas, c'est espacé. Vaut mieux espacé. Nous, nous préférons le terme espacé. Le, le, terme, parce que ce terme limité là, souvent, crée des confusions dans notre contexte. Là où les mentalités des gens, comme on l'a dit, sont un, peu, euh, difficile. donc difficiles, parler, avancer certains concepts d'office peut faire échouer les, Vaut mieux raisonner en termes d'espacement des naissances. Et ça, c'est ma conviction profonde en tant que démographe. Il n'y a pas de richesse, il n'y a de force, ni, ni richesse ni force que d'homme. L'homme, autrement dit, c'est la meilleure richesse. Et par conséquent, personne ne peut demander de limiter ou d'arrêter. Parce qu'il y en a qui vont aller plus loin jusqu'à dire que le gouvernement, le ministère demande aux gens d'arrêter. On ne peut pas. Euh, arrêter les naissances, ça veut dire arrêter la perpétuation de l'espèce humaine. Or, si la L'espèce humaine ne peut, n'est pas renouvelée, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de vie sur Terre. Nous qui sommes là, nous sommes appelés à disparaître. Avant de disparaître, il faut qu'on laisse des gens qui vont renouveler, qui vont continuer à renouveler l'espèce humaine. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On demande seulement aux gens d'espacer les, les, naissances, autrement dit, de faire la politique de ces moyens. C'est quoi faire la politique de ces moyens Aujourd'hui, excusez-moi, nous sommes d'accord, nous sommes religieux, nous sommes musulmans, que la bouche que Dieu a créée ne manque pas à manger comme disent les gens. Mais la question aujourd'hui qu'on se pose, c'est comment cette bouche-là arrive à manger. Est-ce que manger en mendiant, c'est recommandé par l'islam Je dirais non. L'islam n'encourage pas la mendicité. Parce que l'islam s'est dit, moi je n'ai pas étudié le Coran, le Coran, mais à force des prêches qu'on est en train de développer dans notre pays, Dieu merci, on a quand même un certain nombre de connaissances qui sont là. L'islam est contre la mendicité. Le prophète de son vivant, paix et salut sur lui, n'a jamais encouragé les gens à vivre de la mendicité. On doit vivre de la sueur de son front. On ne doit pas. Ah. Et aujourd'hui, quand on regarde ces jeunes femmes, ces jeunes enfants, des femmes, enfants, bébés au dos, qui tendent la main, des gens qui ont la force dans les muscles, qui tendent la main, ça, c'est vraiment trouver du raccourci, que l'islam n'a pas recommandé. Monsieur Ousmane, on a parlé, vous avez parlé de la santé, <coughs> qui est un aspect important du défi démographique, l'éducation, mhm. la question de l'autonomisation de la femme. Quels sont les autres défis les... qui tiennent beaucoup au Niger Donc, euh, les défis, comme je l'ai dit, euh, l'un des premiers défis, c'est la scolarisation. La scola... oui, ça, Lorsqu'on scolarise, ça permet de relever aussi le défi de la santé. La scolarisation, la santé, l'autonomisation de la femme. En partie, on relève le défi de la scolarisation. Ensuite, l'autonomisation, comme je l'ai dit, les femmes qui sont en milieu rural, qui sont nombreuses. Il faut les accompagner à travers les crédits, les, les micros, les crédits vaches, les tiers et consorts, toutes les actions que l'État est en train de faire, les filets sociaux, les ONG qui sont en train d'aider nos mamans, nos sœurs qui sont au village, qui sont nombreuses, pour essayer de les autonomiser. Et, et sans ça, vraiment, ça serait difficile euh, d'atteindre le dividende démographique. On ne doit pas euh, les négliger, on doit mettre l'accent là-dessus en zone rurale aussi bien les jeunes. Quand on dit autonomisation de la femme, cela ne veut pas dire que les jeunes garçons sont exclus. Tout le monde est dans le même bateau. Mais on met l'accent sur la femme parce qu'on a constaté qu'elle a pris du retard dans les actions publiques. Et on cherche à corriger ce retard-là. Oh, oh. Mais sinon, c'est tout le monde, c'est un mouvement d'ensemble qu'on est en train de faire. Personne n'est négligé. Euh, donc, l'éducation de la fille, vous avez parlé des adolescentes, sans, sans oublier les, jeunes garçons, mhm. c'est cela, non Oui. Et oui. Les deux sont liés. Les deux sont ensemble. Hmm. Les deux il n'y a pas de scolarisation des filles et à part, on cherche à faire un mouvement d'ensemble dans la justice et l'équité. Parce qu'on doit avoir au même niveau. Le souci, c'est que 50% parité, 50% de filles, 50% de garçons. Hmm. Dans les, dans chaque classe, ce qu'on cherche, c'est que quand on inscrit au CI, qu'on ait 50 garçons, 50 Alors, un dernier concept que vous allez peut-être nous définir, c'est le concept de dividende démographique. Le il y a des défis, il y a des dividendes. Mhm. Qu'est-ce que c'est quoi le, les euh, Le dividende démographique, euh, c'est un concept qui est en train de faire son chemin. Et donc le dividende démographique, c'est pour les pays qui ont une population jeune, comme les, pays du Sahel, comme, le Niger, comme le nôtre. C'est de créer les conditions de tirer profit de cette jeunesse-là. Comme on dit, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Mais l'avenir, de demain se prépare aujourd'hui. Et on le prépare à travers ces éléments dont nous avons Dans fait euh, L'éducation. J'arrive, excusez-moi. J'arrive. Donc, le, dividende démographique, techniquement, on le définit comme l'accélération de la croissance économique induite par la transformation de la structure par âge de la population d'un pays. Ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque un pays veut aspirer au dividende démographique, il faut absolument qu'il y ait des changements dans sa structure par âge. La structure par âge d'une population, c'est sa répartition par âge et par sexe. Il y a des jeunes, il y a des, jeunes de moins de 5 ans, de 0 jusqu'à jusqu'au dernier, le plus âgé de la population. Donc il y a des groupes d'âge qui sont là. Et lorsqu'on regarde la pyramide des âges, on voit que euh, pour les pays qui ont une population jeune comme les nôtres, la pyramide des âges est à une base large. Ça veut dire qu'il n'y a plus de personnes dépendantes, des jeunes dépendants, les jeunes de moins de 10 ans. Un jeune de moins de 10 ans, c'est une personne à charge. Et ils sont nombreux. Donc nous sommes obligés de les entretenir à travers l'école, à travers la santé, à travers la, la, nutrition, à travers le logement. Nous sommes obligés aussi de prendre en charge les personnes âgées qui ont travaillé, qui sont à la retraite qui attendent le retour de l'ascenseur. Donc, tout cela, on doit le faire. Quand on, n'inscrit pas son enfant à l'école, quand on ne prend pas en charge euh, les parents, les autres, euh, euh, il n'y a pas de dividende démographique. Permettez-moi de vous faire comprendre clairement ce concept de dividende démographique. Donc, je suis en train, excusez-nous, de dire que c'est la, la, transformation de la structure par âge. Et donc, lorsqu'on a un rapport, un taux de dépendance élevé, plus de personnes à charge par rapport aux personnes qui travaillent, c'est un problème. Nous, on travaille aujourd'hui, mais on a derrière nous combien de personnes Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, on ne vit pas bien. ceux, qui sont, ceux qui dépendent de nous ne vivent pas bien. Donc, il faut inverser cette tendance. Qu'on ait plus de travailleurs et moins de personnes dépendantes. C'est en ce moment-là qu'on aura créé les conditions de dividendes merci beaucoup, En investissant dans l'éducation, dans, la, santé, la, bonne gouvernance aussi et la création d'emplois. Merci beaucoup, monsieur Ousmane Amadou. Vous êtes cadre au ministère de la Population et vous êtes le point focal du projet autonomisation des femmes et dividendes démographiques vous nous avez accompagnés tout au long du forum, les 45 minutes. Demain, nous reviendrons, comme je vous le disais, on n'a pas pu en parler, avec le sport, la 38e édition du Sabre, euh, qui était précédée d'une réunion euh, du comité directeur qui a pris des, nouvelles mesures. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci surtout à notre invité. voilà. Bonne soirée à tous.